le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du le forum du studio le forum du le forum du studio le forum du le forum du le forum studio Kalangou, il est 18h15, euh, c'est l'heure du forum au micro Hamadou Mouni. Bonsoir à tous. Studio Kalangou, nos programmes sont diffusés à Niamey et relayés à travers le réseau des radios partenaires dans l'ensemble des chefs-lieux des régions. Vous pouvez aussi nous suivre dans les localités d'Arlit, Filengue, Ménensoroa, Birningaure, Tirozirine, Magaria, Tamaské, Bouza, Dolbel et Saï. Pour le forum de ce vendredi, il y a la conférence de presse d'hier soir du sous-secrétaire général des Nations Unies et coordonnateur humanitaire régional pour le Sahel. Toby, Toby Lanzer a effectué une visite de 72 heures au Niger qu'il a conduit surtout à Difa. Difa qui mérite l'attention de tous selon lui. Vous suivrez notamment Toby Lanzer sur le financement des actions humanitaires, sur la question sécuritaire de la zone qui est, dit-il, toujours préoccupante. Par la suite, nous allons parler de l'accès à l'eau potable au Niger. L'eau potable est satisfaisante pour les milieux urbains, par contre, il est moins pour le milieu rural où beaucoup de forêts à fournir. C'est ce qu'affirme Zaber Yakouba, expert en eau et assainissement. Vous l'entendrez. Du sport, Jeux paralympiques de Rio, les représentants du Niger, Ibrahim Deyabou et Balkissa Amadoun, ont fini leur compétition. Ils n'ont pas remporté de médaille, certes, mais ils ont battu leur performance individuelle. Leur entraîneur, Aboubakar Moussa, va nous dresser le bilan de leur participation. Oui, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires OCHA a organisé hier soir une conférence de presse relative à la visite au Niger du sous-secrétaire général des Nations Unies et coordinateur humanitaire régional pour le Sahel. Toby Langer a effectué une visite de 72 heures qui l'a conduit à Difa, où il s'est informé du contexte sécuritaire qui prévaut autour du bassin du lac Tchad en général et de la région de Difa en particulier. À Difa, Toby Langer juge la situation critique au vu de la sécurité qui, disons, est très précaire dans la zone. Dans le domaine de la sécurité, oui, c'est difficile. Mais il faut vraiment saluer euh, le travail des autorités, le travail des ONG, le travail des agences onusiennes sur le terrain. Euh, sous le, leadership de, de euh, les agences sont allées à Bosso, je pense le lendemain après les attaques en juin. Et le travail continue dans tous ces, ces, villages au long de la route nationale entre Bosso et Difa et à l'ouest de Difa où il y a vraiment une situation assez dramatique. Il y a des, douzaines de, de mille de, personnes qui sont vraiment, euh, comme on dit en français, à la belle étoile, euh, sans un abri adéquat, euh, sans un espoir de pouvoir rentrer chez eux rapidement. Cela dit, dans mon discours avec le ministre de l'Intérieur cet après-midi, il a l'intention et l'espoir que les gens puissent rentrer chez eux euh, dans les mois à venir. On va regarder ça attentivement et on va accompagner ce processus si, si ça se passe. À la fin des comptes, bien sûr, ça dépend de chacun de prendre la décision de rentrer euh, chez lui. Euh, mon plaidoyer dans ce sens, est le suivant. Il faut que les autorités fassent le mieux possible, pas seulement en termes de la sécurité, mais aussi pour faciliter que la population ait un accès à leurs moyens d'existence, qu'un pêcheur puisse faire la pêche, euh, qu'un éleveur puisse marcher euh, avec euh, son troupeau. Donc, il y a des choses qui, sincèrement, vont apporter une aide à la population peut-être plus importante que nous-mêmes. Et dans ce sens, je suis très, très reconnaissant de la résilience des populations de la région. Eux-mêmes, s'ils ont la possibilité de céder à eux-mêmes, ils vont le faire. Et ils vont le faire d'une façon plus importante qu'une agence onusienne ou une ONG peut. Le sous-secrétaire général des Nations Unies et coordonnateur humanitaire régional pour le Sahel hier soir à la conférence de presse à, au bureau de la coordination des affaires humanitaires. Sony Lanzer, Toby Lanzer, pardon, euh, s'est aussi euh, longuement attardé sur l'engagement de la communauté internationale aux côtés des populations de Difa. Il entendait par là la question des financements des actions humanitaires. Je vous propose de le suivre. Bon, tout d'abord, il faut reconnaître qu'actuellement, au niveau mondial, il y a beaucoup de crises et des crises qui sont vraiment euh, profonde, large et, critique, si je peux le dire comme ça. Euh, il y a la Syrie, il y a l'Irak, il y a dans ce continent euh, sud sudan il y a Yémen. Donc la crise autour du bassin du lac Tchad n'est pas la seule. Donc faire un plaidoyer actuellement n'est pas facile. Et il faut reconnaître que les bailleurs de fonds, qui sont une trentaine de pays qui sont euh, dans, dans, des mesures économiques de, de pouvoir euh, aider euh, avec des financements, euh, c'est difficile pour eux actuellement, euh, parce que les besoins dans tous ces, ces, contextes sont de plus en plus importants. Cela dit, je pense que actuellement, au niveau du bassin du lac Tchad, si on compte tous les quatre pays, le Cameroun, le Tchad, euh, le Niger et Nigeria, autour, juste autour du bassin du lac Tchad, on a plus de 9 millions de personnes qui sont en détresse, plus de 6 millions de, personnes euh, dans une insécurité alimentaire euh, sévère. les circonstances demandent absolument que je fasse ce plaidoyer et que les bailleurs de fonds sont encouragés. je ne peux pas dire à un enfant à Difa, euh, attendez encore quelques mois parce qu'il y a des enfants qui souffrent euh, dans un autre pays. Non, il faut absolument qu'on puisse convaincre les bailleurs de fonds à s'engager de plus en plus dans ce contexte. Un autre point évoqué par le sous-secrétaire euh, général des Nations Unies et coordinateur humanitaire régional pour le Sahel, c'est l'éducation des enfants. Et à ce niveau, Tony Lanzer, Toby Lanzer, pardon, a pris l'exemple de la rentrée scolaire à Diva. Pour les écoles, euh, hier, on a constaté à Bosso une volonté parmi les parents de voir leurs enfants à l'école à partir du prochain mois. Cela dit, les enseignantes sont où C'est pas très clair. Donc il y a un défi dans ce sens. Il y a aussi, il faut le reconnaître. C'est très simple de dire, mais il faut que les autorités payent. Je comprends ça et c'est correct. Cela dit, parfois il y a des contraintes. Il faut reconnaître la situation du Niger actuellement n'est pas la meilleure. Il faut reconnaître que la crise au Nigeria a un impact important sur l'économie ici au Niger. Donc, c'est aussi pour ça que mon plaidoyer auprès de la communauté internationale, je pense, est, est importante euh, aujourd'hui. Voilà les propos du sous-secrétaire général des Nations Unies et coordonnateur humanitaire régional pour le Sahel, Toby Lanzer, ont été recueillis par notre reporter hier soir à la conférence de presse, donc notre reporter Abibou Bougarba. Parlons d'eau euh, maintenant. L'accès à l'eau potable. L'accès à l'eau potable est satisfaisant pour le milieu urbain par contre, il est moins pour le milieu rural où beaucoup d'efforts restent à fournir. C'est ce qu'affirme en tout cas Zaberou Yakuba, expert en eau et assainissement. Les acteurs du secteur de l'eau étaient à réunion en revue euh, sectorielle en juin dernier où ils ont examiné les activités menées l'année passée et surtout les résultats enregistrés dans le cadre des objectifs euh, du millénaire pour le développement afin de mieux s'attaquer aux objectifs euh, de développement durable ODD. Quel est le bilan sur l'accès à l'eau potable au Niger je vous propose de suivre l'expert en eau et assainissement, Zaberou Yakouba. Nous, nous, nous disposons, c'est le point qui a été fait pour les OMD en fin 2015. Actuellement, en milieu rural, nous enregistrons un taux d'accès autour de 51%. En, milieu urbain, nous sommes autour de 88%. Ce qui veut dire que au niveau du milieu urbain, les objectifs du millénaire pour le développement est, atteint et même dépassé parce qu'il était fixé autour de, 75%, on est à 88%. En, milieu rural, par contre, euh, les hommes n'ont pas été atteints parce que euh, les hommes des étaient déterminés autour de 58% pour arriver à 58%, alors que nous sommes autour de 51%. Qu'est-ce qui explique ce déphasage entre le milieu urbain et le milieu rural Le déphasage, euh, vous savez que le Niger est à peu près autour de 80% du monde rural. Et les besoins euh, en termes d'alimentation en eau sont beaucoup plus cruciaux à milieu qu'en milieu urbain. En plus de cela, l'alimentation en eau en milieu urbain a été prise en charge par la SPEN, Société patronne 12 du Niger, et l'exploitation euh, du réseau a été donnée par un contrat à la SEN. E e la SEN, c'est Société d'exploitation des eaux du Niger. Cette réorganisation au niveau du milieu urbain, ça a favorisé effectivement euh, de booster tout ce qui est aspect euh, de l'alimentation en eau en milieu urbain. Si vous voulez aussi, en milieu urbain, c'est des réseaux d'eau potable euh, qu'on tire pour amener des branchements au niveau des, au niveau des ménages, au niveau des particuliers. Alors que en milieu rural, c'est beaucoup plus des ouvrages quelque peu individualisés ou semi-individualisés. C'est soit des puits cimentés, soit des forages équipés de pompes dans les villages ou des postes d'eau autonomes ou des adhésions d'eau simplifiées au niveau des villages. Aussi, c'est dû au fait, par exemple, quand vous prenez au niveau de, certaines zones du Niger, il y a certaines zones où vous avez des profondeurs de forage qui vont jusqu'à 800 ou même jusqu'à 1000 mètres, où euh, l'exploitation coûte extrêmement cher, même certains bailleurs de fonds ne, partent pas dans ces zones. Ça qui fait que pratiquement dans ces zones-là, le taux d'accès à l'eau est, relativement faible. Donc c'est tout ce qui explique euh, vraiment le fait qu'il y ait beaucoup plus un taux plus important en milieu urbain que euh, milieu rural. C'est ça le principal facteur. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs pour le milieu euh, rural Bon, pour le milieu rural aussi, bon, il y a, certainement d'autres facteurs. Il y a tout ce qui est aspect de, de la capacité d'intervention aussi des opérateurs au niveau des, des, au niveau des réalisations des ouvrages. Et aussi, tout ce qui est aspect, le problème aussi de déblocage des fonds au niveau des bailleurs de fonds aussi, les procédures des fois sont assez longues. Et aussi, les capacités même techniques au niveau des, administrations pour pouvoir absorber les fonds qui sont mis à disposition. Qui finance l'accès à l'eau potable Oui, il y a toute une panoplie de, des intervenants, des bailleurs de fonds, par rapport, euh, des investissements par rapport à l'eau potable. Le plus important, il s'agit par exemple de l'Union européenne, de la coopération suisse, de la Banque mondiale, de la coopération danoise, de la Convention luxembourgeoise et aussi beaucoup d'autres ONG internationales. Il ne faut pas oublier aussi l'État, parce que l'État aussi contribue beaucoup euh, sur fonds propres à la réalisation des infrastructures en matière d'eau potable. Mais l'eau, finalement, si je vous comprends bien, avec ce que vous avez dit sur le milieu urbain, l'eau c'est beaucoup plus commercial que désintéressé. Voilà, effectivement, là vous avez vraiment touché un point c'est vrai, que l'eau en euh, <laughs> milieu urbain, vous demandez euh, le branchement, vous payez, on vous branche et vous payez la facture. Et à la fin du, mois, si vous ne payez pas la facture, on vous coupe l'eau. Et donc, les, uns et les autres sont contraints de payer la facture d'eau. Alors qu'en milieu rural, c'est vrai, il y, a tout un problème de gestion qu'il faut, qu'il faut asseoir au niveau du milieu rural. Euh, notamment quand vous prenez par exemple, la pompe à motricité humaine c'est ça demande tout, tout, tout, tout un dispositif par rapport à cette gestion-là. Euh, c'est la même chose pour les additions d'eau en milieu rural aussi. Ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de, dispositifs et de sensibilisation, de formation. Même les, les privés qui doivent gérer ces infrastructures-là ont besoin vraiment de renforcement des capacités parce que à, certains moments, et ou pas oublier aussi les communes les communes qui ont la maîtrise d'ouvrage de ces infrastructures-là aussi euh, euh très peu de moyens et même la désactivation n'a pas duré. Et même le transfert de compétences qui est prévu, le transfert de compétences et des moyens qui est prévu à mettre au niveau des collectivités, jusqu'à présent, c'est maintenant que ça, ça, commence à, prendre forme avec les, deux décrets qui ont été pris récemment, notamment dans le cadre de transfert de compétences euh, au niveau des régions et au niveau des communes. Il y a l'eau, il y a l'eau en quantité, mais aussi l'eau en qualité. Vous avez parlé de quantité, le milieu urbain est bien servi, le milieu rural un peu moins. Alors en termes de qualité, quelle est la situation pour le milieu urbain d'abord Pour le milieu urbain, je pense que le, au niveau de la structure qui est en charge d'exploiter l'eau, euh, ils ont tout un dispositif de contrôle de la qualité de l'eau. Et, euh, le contrôle de la qualité aussi est surveillé par la SPEN. Au nom de l'État, euh, surveille les infrastructures, euh, applique le contrat qui est, qui lié entre la SPEN et, l'État. Donc vraiment, il y a des dispositifs par rapport au contrôle de la qualité de l'eau. En milieu urbain, ce que dans les dispositifs d'exécution de, des marchés publics par rapport à l'utilisation, ce que dans chaque marché de réalisation d'ouvrage, il est accompagné d'une ligne où il faut faire l'analyse de l'eau avant de livrer à la population. Tant que cette eau n'est pas, pas de qualité à être fournie à la population, directement on, forme les points d'eau et on les livre face à la population. Et logiquement, il devrait y avoir des de contrôle périodique. Peut-être c'est ça qui peut être un peu défaut, euh, puisque les services techniques au niveau des, régions et des départements n'ont pas le moyen suffisant pour pouvoir suivre régulièrement cette qualité de l'eau. Vous savez que l'eau, euh, c'est vrai qu'au départ, elle peut être euh, de qualité, mais au fur et à mesure, elle peut être contaminée, soit à travers le sous-sol. Par exemple, vous prenez le cas par exemple des mines, là où on exploite les mines une eau peut être contaminée à travers l'exploitation des mines à travers, euh, sous la terre peut être souillée. Donc il, il, devrait avoir normalement des contrôles périodiques de ces, eaux-là. On c'est peut-être que c'est un peu ça qui fait défaut. Sinon, la qualité y est pour le milieu urbain le meilleur, en tout cas la qualité, je pense que la qualité est vraiment acceptable, comme on peut l'appeler comme ça. Et dans le monde rural le monde rural, euh, elle est, bonne à certains endroits, vraiment, à certains endroits. Mais à certains endroits où il y a le problème sérieux de qualité qui se pose, euh, je pense que vous savez très bien le problème qui s'est passé à Tibiri Maradi, dans, vers la zone de Kondumawa, euh, dans la zone de Zender, vous avez des zones dans la zone de, de, de Lela, Koni, où les nappes euh, ne présente pas de très bonne qualité. Mais comme je disais tout à l'heure, généralement, vraiment, avant de livrer la population, on fait tout pour que les normes de l'OMS soient respectées de qualité, pour qu'on ne livre pas d'avance à la population une eau qui, peut nuire à la santé de la population. Euh, vous avez dit 50, plus de 50% pour le milieu rural. Mm-hmm. Mais est-ce que ces 50%-là sont bien repartis dans les zones Effectivement, il y a une, disparité justement par rapport à l'accès à l'eau potable, suivant les régions, suivant les départements, suivant les communes. Il y a des disparités, euh, même à l'intérieur d'une même commune, des disparités que ce soit à l'intérieur d'une même région, euh, à plus forte raison euh, à l'intérieur du pays. Je pense que le programme actuellement qui est en train de se mettre forme, le PROSEA, programme secteur de assainissement 2016-2030, un de ses axes principaux, c'est justement euh, chercher à rétablir euh, cette euh, égalité, cette équité en matière d'accès à l'eau potable, c'est-à-dire réduire les disparités et intra-régionales. Mais quelles sont les zones les plus défavorisées et pour quelles raisons Les zones les plus défavorisées, comme je vous dis, c'est particulièrement les zones où l'eau est difficile à exploiter, c'est-à-dire les zones où l'eau est très très profonde. Vous avez un village, par exemple, de 250 habitants, 300 habitants. Il faut faire des fois un forage euh, de 500, 800 mètres pour exploiter l'eau, un forage qui fait au-delà de, 200, 300 millions de francs CFA pour le réaliser, plus maintenant tous les équipements qu'il faut mettre là-dessus. Euh, vous voyez, euh, des fois les barres de fond, ils font le calcul du ratio entre l'investissement et la personne. Donc je trouve que quand le ratio là est très fort, des fois il y a certains barrages de fonds qui existent à aller dans ces zones-là. Donc des fois c'est ces zones-là qui sont quelque peu euh, délaissées, si on peut les appeler comme ça, où euh, <laughs> bon, ces zones-là, par exemple dans, la région de, de, Tawa, par exemple, il y a beaucoup de zones où vraiment euh, le taux est très faible. Quand vous prenez les zones comme euh, les régions de Zander, où l'eau est emmagasinée dans les fractures de roches en bas de la terre, il faut faire une étude pour pouvoir euh, vraiment le capter. Et ça aussi, c'est ces difficultés. On peut faire le forage, ça peut tomber sexy. Dès qu'on décale un peu de, de, la, cassure des roches, là, où l'eau est magasinée, c'est le, forage ne donne rien. Donc ça aussi, c'est des zones qui sont vraiment défavorisées en matière d'accès à l'eau potable. Comment résoudre ce problème d'accès à l'eau potable Il y a une nouvelle euh, approche qui est mise en œuvre par le ministère de l'hydraulique euh, et de l'assainissement. Quand je vous ai tantôt, il y a des forages très profonds qui coûtent extrêmement cher. Maintenant, l'option qui est engagée, c'est que on rassemble un certain nombre de villages 3, 4, 5 villages, jusqu'à 10, ça peut aller jusqu'à 10 villages. On fait le forage profond là et on les à partir de ce forage là. Du coup, ça amoindrit l'investissement par individu. Vous voyez, ça permet aussi donc de ratisser large pour pouvoir euh, alimenter un certain nombre, euh, plus, plus, un plus grand nombre de personnes en matière d'eau. Il y a l'autre option aussi, par exemple, quand vous prenez les zones insulaires de la zone de Tilaberi, où on ne peut pas aller même faire des forages, les machines ne peuvent pas traverser l'eau pour aller faire le forage. Ce qu'on fait, il y a de nouvelles options qui vont à capter l'eau du fleuve à travers le sable, les traiter et les fournir aux populations. Ça aussi, on fait, on peut faire des grands systèmes qui peuvent alimenter plusieurs îles. Il y a un certain nombre d'options qui sont prises pour corriger la situation. Je pense aussi, c'est c'est le cas pour euh, euh, le programme qui va venir 2016-2030. Il faut une stratégie de mobilisation des ressources. Quand je dis mobilisation des ressources, il ne s'agit pas seulement de se focaliser sur les sources de financement extérieur. Il faut aller même au niveau à l'interne pour pouvoir avoir ces fonds-là pour réaliser des exercices au profit des populations. Quand vous parlez d'interne, ça veut dire que ce sont les populations qui vont se mobilisés qui, sont, qui vont revenir oui, les Par exemple, je le, simple cas de la diaspora qui est, à l'extérieur. Dieu seul sait le fonds qu'ils font rentrer au Niger pour leur famille et pour autre chose. Ces arts de fonds-là, si on les capte, ils peuvent très bien servir à réaliser des, des ouvrages. Vous avez par exemple les addictions d'eau qu'on met en place. Vous savez, on vend l'eau. Si on gère très bien ces fonds-là de vente d'eau, au niveau de la population, on peut très bien les réunir et ça permet de faire l'extension du service d'alimentation en eau potable. Il y a aussi toute la volonté politique aussi de pouvoir donner beaucoup plus de financement dans le domaine de l'eau, puisque c'est quand même un domaine euh, prioritaire et même vital, j'allais dire. Voilà, vous venez de suivre en seconde diffusion l'expert en eau et assainissement Zabari Yakouba, sur l'accès à l'eau potable au Niger. Un mot de santé, c'est pour parler du diabète. Le diabète, une maladie devenue aujourd'hui un véritable problème de santé publique. Ici au Niger, le taux de prévalence avoisinerait les 4%, alors qu'il y a 20 ans, ce taux était de 2%, euh, selon en tout cas l'explication de l'endocrinologue diabétologue Ali Ada. Docteur Ali Ada est interrogé par Kenda Mariam Diallo le temps de revenir sur euh, ce mot de santé ou sur le diabète qui est devenu un véritable problème de santé publique aujourd'hui avec 4%, euh, alors qu'il y a 20 ans c'était 2%. Nous allons parler sport avec les représentants du Niger aux Jeux paralympiques de Rio, à savoir Ibrahim Deyabou et Balkissa Mamadou Amdou, qui ont fini leur compétition. Les compétitions sont finies, mais il n'y a pas de médaille. Mais euh, nos deux représentants ont tout de même battu leur performance individuelle. Leur entraîneur, Abouakar Moussa, dresse le bilan de leur participation. Il a été joint au téléphone à Rio par Habib Garba. On peut dire que globalement, euh, ils ont tiré vraiment euh, beaucoup d'expérience, beaucoup d'enseignements suite à une confrontation qu'ils ont eue avec des athlètes de haut niveau de différents pays, ce qui leur a permis vraiment d'avoir vraiment une nouvelle vision, nest pas, de la pratique du sport qu'ils ont Donc, euh, on peut dire, euh, lors des entraînements que nous avons eu avant même le début de compétition, ils ont eu, n'est-ce pas, se levier euh, avec euh, certains des athlètes Ils ont même été volontiers à les aider en leur donnant des positions des différents départs, des positions d'attitude, etc., Et vraiment, ça nous a beaucoup marqué. Finalement, je peux dire euh, d'une manière globale, c'est très positif euh, de cette participation. Ont-ils réalisé des nouvelles performances au cours de ces Jeux euh, Également, par rapport aux performances, nous pouvons dire qu'il y a eu une nette amélioration. quand on prend en vitesse, par exemple, Ibrahim, qui avait un temps de 12 secondes 30 au Niger, a réalisé un temps de 11 secondes 90, euh, ce qui n'est pas mal. Et en saut à longueur, elle avait un, un, saut de 5 mètres 20 à l'année. Et ici, il se retrouve avec un saut de 5 mètres 43. par rapport à l'athlète Belkis euh, elle aussi, bien que ça fait deux mois qu'elle a commencé à pratiquer le disque, elle est arrivée à faire un saut de 13 mètres 25, et ce qui lui a permis de dévancer la sénégalaise, la coréenne et même la mongolienne. Donc vraiment, euh, de manière globale, les performances ont été améliorées et on souhaite vraiment au retour au Niger d'essayer quand même de continuer à travailler pour pouvoir préparer les, les futurs Quel enseignement peut-on tirer pour une meilleure euh, préparation des para-olympiques de Tokyo 2020 Voilà, donc euh, par rapport à cette question, Vraiment, le nœud du problème est à ce niveau parce que là, voyez-vous, le Niger a été indiqué, c'est-à-dire que le Niger n'a pas eu de qualification, le Niger n'a pas eu de minima et les minima s'obtiennent à travers des participations dans les différentes zones afriques que euh, l'ICC organise. Les athlètes n'arrivent pas à participer à ce jeu pour pouvoir avoir un minima ou la qualification. Donc, face à ces deux aspects, mais l'UPC était obligé d'inviter des avec deux athlètes. Et là aussi, on nous a imposé l'unité de disque qui n'a jamais été pratiquée en par les athlètes et le saut à longueur ainsi que la vitesse pour l'athlète. Donc, euh, pour l'avenir, il serait préférable que la Fédération nigérienne de sport euh, paralympique puisse prendre en main une détection, parce que sans, sans détection, on ne peut pas avoir des bons athlètes et les orienter dans des disciplines qui peuvent nous donner des chances. Là, nous avons retrouvé que les femmes ont beaucoup plus de chances. Malheureusement, nous, au nos femmes refusent de se Vous voyez, même c'est là les difficultés que nous avons eues à la convaincre pour aller s'entraîner au disque et participer à ce jeu. Donc, il y a un problème de mentalité, il y a un problème de moyens. Nous allons nous mettre au travail, arriver au Niger, pour réorganiser le système afin de préparer probablement les futurs athlètes pour 2020. À vous entendre parler, on peut dire qu'avec euh, un peu de moyens, vous allez faire euh, plus que cette année. Ça, c'est plus que sûr, parce que le Paralympique euh, nigérien l'a démontré dans les années 2003, même 2005, 2007. Ils ont eu à apporter des médailles. Même les derniers Jeux de la francophonie, le Paralympique nigérien a mené une médaille d'argent. Donc, cela veut dire que nous demandons un peu de moyens. Il suffit que nous ayons ces moyens. de vous assurer je vous assure que le Niger pourra trouver un jour une place au podium dans les Paralympiques. pour finir, est-ce qu'on peut dire que nos athlètes euh, n'ont pas démérité Non, ils n'ont pas du tout démérité. Vous voyez, c'est des invitations. Et jusqu'à présent, en dehors des Jeux de spécial 2008, il n'a jamais eu un podium un invité. Vous voyez donc c'est extrêmement difficile. Vous venez en tant qu'invité, on vous met dans la classe de qualifiés. Donc vraiment, c'est pas facile vraiment de réaliser nos performance. Mais avec tout ça, les athlètes quand même se sont bien comportés. Quand on prend euh, la, ça, par exemple, sur 14 concurrents, elle s'en sort avec la 11e place. Donc euh, vraiment, avec deux mois de travail, c'est déjà quelque chose de pas mal. Et même en vitesse, sur les 14 concurrents, nous occupons la 10e place. Donc vous voyez, international général, bien que n'est pas qualifié pour la suite, tout ça, c'est vraiment des résultats encourageants. Ils n'ont pas de mérité. Ils ont fait de leur mieux. On a produit, n'est-ce euh, la plus belle femme, mais plus de mérité, c'était là. Voilà l'entraîneur des représentants du Niger aux Jeux paralympiques de Rio de Janeiro. Euh, nous retenons que nos deux représentants, Ibrahim Dayabou et Mbalkis Samamadou, n'ont pas remporté de médaille. Mais tout de même, ils ont battu leur performance individuelle. L'entraîneur Aboubakar Boussa était joint tout à l'heure au téléphone par notre reporter Abibou Karba. Nous restons dans le domaine des sports pour parler de la Coupe d'Afrique de Maracana et associés qui débute demain à Ouagadougou au Burkina Faso. Les joueurs nigériens sont arrivés hier à Ouagadougou. Les équipes nigériennes joueront demain contre les Ivoiriens à 8h heure locale, donc 9h heure d'ici pour les vétérans donc et à 16h pour les seniors. Alors, notre reporter Souman Amadou a joint au téléphone c'est Ousmane, le secrétaire à la communication de la Fédération nigérienne de Maracana et discipline associée, Voici ce qu'il nous dit. Bon, les jeunes nigériens sont arrivés hier soir, l'équipe senior euh, et l'équipe des vétérans. Et en tout cas, nous avons vu ils sont arrivés dans un très bon esprit. Mais d'ores et déjà, parce que, euh, outre le Burkina qui est organisateur, nous avons la présence euh, du Niger, du Mali, du Togo, du Bénin, de la Côte d'Ivoire et du Gabon. le Cameroun et le Comore, les équipes n'ont pas pu se déplacer euh, pour des raisons de visa. C'est des pays dans lesquels euh, il faut forcément avoir un visa pour avoir accès au territoire burkinabé. Malheureusement, les équipes ne sont pas prises à temps et on a, c'est parce que les représentants de ces pays. Donc les équipes ne participent pas, mais les représentants euh, participent donc en tant qu'observateurs à, à cette pour les vétérans, à la dernière camp de Lomé, euh, le, Niger était euh, en demi-finale euh, et le Togo avec leurs nous ont éliminé. Pour, les seniors, nous avons sorti donc en phase de poule. L'objectif dès le départ que nous avons atteint à nos deux équipes, c'est de ramener les deux coupes au Niger. Après l'avoir organisé en 2014, il était temps quand même que cette année, nous puissions ramener la tête haute, les deux coupes à Niamey à la satisfaction de tous les amateurs du Maracana au Niger. Il y a eu des supporters nigériens qui ont fait le déplacement ah, Il y a eu beaucoup de supporters nigériens qui ont fait des déplacement euh, à titre personnel et même ici au niveau du Burkina, il y a beaucoup de Nigériens qui sont mobilisés en tout cas, qui viendront supporter notre équipe nationale. L'État a déjà donné l'appui institutionnel, nous permettant donc aux gens de de participer à cette compétition. Et je pense que le reste, euh, nous avons fait ça de par nous-mêmes, de par nos relations, de par les sponsors que nous avons contactés. Ça se passe très bien en Voilà, vous venez d'écouter Sissé Ousmane, secrétaire à la communication de la Fédération nigérienne de Maracana et discipline associée. Il était joint au téléphone par Soumana Amadou par rapport à la Coupe d'Afrique de Maracana et associés qui débute demain à Ouagadougou, au Burkina Faso. Les équipes nigériennes joueront demain contre les Ivoiriens à 9h heure de Niamey pour les vétérans et à 16h pour les seniors. Un mot de culture pour parler de la chanteuse Philo Ladiva. Elle a débuté sa carrière en solo en 2014 et elle compte actuellement cinq morceaux qui sont sur les ondes. La chanteuse Philo Ladiva Diva a été sacrée championne de la sous-région de la 10, à la 19e édition du festival Konavaba, Konavab Inter, qui a eu lieu dimanche 11 septembre dernier au Bénin. Elle prépare déjà son nouvel album et elle, elle s'explique ici au micro de Abdelkarim Maman Barmou, euh, qu'il a reçu cet après-midi. c'est un concours festival qui rassemble les artistes euh, béninois et les artistes africains de la sous-région, effectivement. Euh, de son vrai nom, c'est Coupe nationale des artistes vainqueurs du Bénin et Inter. Pourquoi Inter Parce que c'est ouvert à d'autres euh, artistes aussi des autres pays. La sélection se fait par un représentant qui est ici, un représentant de Conavap qui est ici, qui s'informe un peu à gauche à droite de comment est-ce que le mouvement se passe et qui est actuellement euh, à la tête qui fait bien la fierté du pays et non pas tant de cela. Il décide donc d'envoyer les chansons de cet artiste en question au pays. On fait la promotion, le clip et tout. Et voilà. Vous étiez en finale avec euh, quel pays ou juste Voilà, j'étais en finale avec euh, le Bénin et le Nigeria, aussi le Togo aussi. Mais le Bénin, leur euh, concours est à part. ça s'est passé le même jour, mais c'est à part parce que eux, ça se passe entre eux. Voilà. Et pour ceux qui viennent d'ailleurs, nous sommes juste trois donc le Niger, le Togo et le Nigeria. Ça s'est passé comment C'est en live que euh, voilà ça se fait ou bien on passe le son, il y a un jury qui est là Oui, effectivement, c'est un concours qui se passe en live en live. Donc tu viens, tu montres ta prestation en live, de quoi tu es capable. Et il y a un jury spécial pour ça. Le jury euh, des autres est à part et le jury de ceux qui sont venus d'ailleurs aussi est à part. Vu le prix que vous avez gagné, quel sentiment vous anime oh, Aujourd'hui, je, suis, <laughs> en disant que je suis très fière d'avoir représenté mon pays honorablement. Euh, au-delà des frontières et avoir gagné ce prix. Vraiment, c'était un rêve et je pense que ce n'est que le début parce que je sais qu'il y a d'autres aussi qui viendront. Comme vous parlez de, de début, et quelles sont les ambitions futures euh, bon, Les ambitions futures, c'est d'abord euh, l'album. C'est déjà en phase finale, donc il reste juste euh, le concert pour l'annoncer vraiment et d'autres clips aussi qui sont en vue. Avez-vous le soutien de, de l'État ou pas Je dirais que jusque-là, vraiment, je n'ai pas le soutien de l'État je n'ai pas du tout le soutien de l'État, c'est tout, c'est un, souci pour moi, mais quand même, je fais de mon mieux parce que j'ai un label qui me suit et un très bon manager et vraiment, sont eux qui font vraiment ma force, quoi. Et cela m'amène à évoluer ce que je fais. Vous avez parlé de label, c'est quoi <laughs> Voilà, un label, c'est une structure euh, qui s'occupe euh, de l'artiste en question parce que, comme vous voyez bien, l'artiste ne peut pas tout faire. Il a besoin quand même d'une équipe derrière pour euh, voir son évolution, comment amener cet artiste à émerger dans sa carrière. Donc euh, l'équipe suit l'artiste dès le début jusqu'à la commercialisation même de ses œuvres pour arriver à réaliser ses rêves. Quel appel avez-vous à lancer euh, à l'égard des autorités compétentes L'appel que j'ai à lancer aux autorités, c'est surtout la considération et l'aide aux artistes j'ai été vraiment touchée quand j'ai vu que dans les autres pays, les artistes sont mieux respectés que chez nous ici au Niger. Je suis très touchée que dans ton pays, l'État ne t'aide pas à ce qu'on puisse réellement te soutenir pour des œuvres comme euh, aller représenter un pays ailleurs. Et donc l'appel que j'ai à vraiment, c'est qu'ils nous donnent juste un tout petit peu de considération quand nous venons vers eux pour nous donner des papiers qui signifient que nous partions quand même pour une bonne cause dans un autre pays, représenter le pays qui nous les délivre, parce que c'est très important. On ne peut pas être laissé à nous-mêmes comme ça. Donc vraiment, nous avons besoin de leur soutien, de leur aide. C'est très important parce que ce que nous faisons, c'est comme euh, être ambassadeur d'un pays. Et je pense que euh, nous avons normalement une très grande place. Et c'est ce que je demande vraiment aux autorités de nous faire. Il n'y avait pas eu leur soutien à ce concours-là que vous avez euh, participé Pas du tout, pas du tout. À ce concours, vraiment, il n'y a pas eu leur soutien, leur aide, rien du tout. Je suis partie, disons, <laughs> à titre privé. <laughs> s'il faut le dire. Pourtant, c'est pas comme s'ils ne savent pas parce qu'on s'est approché d'eux pour demander quand même euh, un papier qui certifie que oui, nous sommes en mission, mais ils ne nous ont pas donné. Voilà, vous venez de suivre la chanteuse Philo la Diva. Elle a été sacrée championne de la sous-région de la 19e édition du festival Konavab Inter qui a eu lieu le 11 septembre dernier au Bénin. Un mot de santé pour clore euh, ce forum. Nous allons parler de rougeole à la place du diabète, la rougeole. Qu'est-ce que c'est que la rougeole Comment se manifeste-t-elle Et qui sont les personnes les plus vulnérables face à cette maladie C'est entre autres questions que notre reporter Diallo Mariam Kanda a posées à docteur Maman Sani. suivant leur entretien. Bonjour docteur. Bonjour. Comment peut-on définir la rougeole On peut définir la rougeole comme euh, étant une euh, infection virale due à un virus qui est hautement contagieux, qui s'appelle euh, le paramyxovirus. Pourquoi la rougeole est une maladie extrêmement contagieuse D'abord, c'est lié à la transmission du virus. Il se transmet par voie aérienne, les voies respiratoires hautes, à travers ce qu'on appelle les gouttelettes de fluge. Maintenant, quand la personne éternue, quand la personne tous. Les personnes qui sont à proximité de cette personne peuvent évidemment inhaler ce virus et être contaminées. Ce virus peut eh, rester en suspension dans l'air pendant plus de deux heures. Comment peut-on reconnaître une personne atteinte de la rougeole C'est la fièvre et les éruptions cutanées généralisées. À part ça, associé à un des signes suivants, peut-être la toux, la personne va tousser ou elle va avoir des yeux qui sont rouges, ce qu'on appelle la conjonctivite en termes médicaux ou bien c'est le nez qui vont couler, qu'on appelle coryza. Quelle est la tranche d'âge concernée par cette maladie Pratiquement toutes les personnes peuvent être contaminées si elles ne sont pas immunisées. En principe, les enfants sont les plus exposés effectivement à cette euh, maladie, surtout, surtout s'ils ne sont pas vaccinés contre effectivement la rougeole. Est-il vrai que la rougeole est une des causes de mortalité dans le monde euh, des, des enfants de jeune âge Exactement. Il a été prouvé que la rougeole constitue pratiquement la première cause de mortalité des enfants de moins de 5 ans. Et effectivement, dans des pays qui ont connu des avancées en matière de la réduction de la mortalité infanto-juvénile, c'est parce que tout simplement, ils ont eu à rehausser le taux de couverture vaccinale contre la rougeole. Donc la rougeole, en tout cas, occupe le plus rang selon les statistiques, en tout cas en termes de mortalité des enfants. parlez nous de ce vaccin de la rougeole. C'est une vaccination qui fait partie des vaccinations de routine, qui est inclue dans le programme élargi des vaccinations. C'est-à-dire les enfants euh, qui suivent régulièrement euh, leur calendrier vaccinal, à partir de 9 mois, Hein, l'enfant reçoit sa première dose de la vaccination contre la rougeole. Mais une deuxième dose encore qu'on doit le faire à partir du 16 mois. Alors ça, si effectivement tous les enfants reçoivent effectivement ces vaccins, alors là, ça va réduire l'incidence de la rougeole et effectivement minimiser les risques de survenir des épidémies de rougeole. Parce que c'est ça le danger, parce qu'en cas d'épidémie, c'est ce qui fait effectivement augmenter et la morbidité, c'est-à-dire le nombre de cas de rougeole, et la mortalité, c'est-à-dire les décès liés à la rougeole. Comment se fait la prise en charge de cette maladie donc la prise en charge est symptomatique et les agents de santé en tout cas connaissent et ils sont formés à la prise en charge, n'est-ce pas, au cas par cas de la rougeole parce que c'est en fonction du symptôme que la personne présente qu'on la traite. Une fois atteint de la rougeole, comment le traitement de la personne ou de l'enfant se fait en fonction de la symptomatologie que le patient présente, c'est ça. si la fièvre, on lui donne des médicaments contre la fièvre, s'il a de la conjonctivite, on lui donne, mais surtout, surtout la supplémentation en vitamine A, ce qui va nous amener surtout à parler de facteurs de risque. Il y a un certain nombre de facteurs de risque, effectivement, qui peuvent, euh, n'est-ce pas, contribuer à la survenue, n'est-ce pas, euh, d'un nombre élevé de cas de la, la, rougeole. Euh, je parlais, si vous vous rappelez, de la couverture vaccinale. Si dans une population, peut-être la cible, surtout les enfants de moins de 5 beaucoup ne sont pas vaccinés contre la rougeole, alors vous avez compris le modes de transmission. Si peut-être dans une population, peut-être sur 100 enfants, peut-être il n'y a que 60 ou 70 qui sont vaccinés, c'est-à-dire les 40 autres ou les 30 autres ne sont pas vaccinés. Alors s'ils si ils tomber malades, ils vont évidemment libérer les germes là, euh, le virus notamment, et vous connaissez effectivement son mode de transmission qui est aérienne et alors les gens vont effectivement l'inhaler et évidemment tomber malade. Le deuxième facteur de risque, c'est la densité de la population. Si effectivement les conditions de promiscuité sont créées, c'est un autre élément de risque. Un autre élément aussi non moins important, c'est l'accès aux soins. Et vous savez, dans une communauté où l'accès aux soins est difficile, alors si la population n'a pas facilement accès à un service de santé pour aller se vacciner, ça, ça va avoir comme conséquence une faible couverture vaccinale. Et là, ça va encore rehausser le, nombre de cas et même la mortalité. Voilà, vous venez de suivre en seconde diffusion l'entretien que Dr Mamoun Sani a accordé à notre reporter Kenda Mariam Diallo sur la rougeole. Ainsi s'achève ce forum d'aujourd'hui, mais nous allons suivre ensemble hein, notre chanteuse dont nous parlions il y a quelques instants, Philo, Philo la diva. Elle a été sacrée championne de la sous-région de la 19e à la 19e édition du festival Konavab Inter qui a eu lieu dimanche dernier au Bénin. Philo la diva. fière de toi, mon Niger. Toi qui ne ressemble à aucune autre terre, sous égalité d'intégrité. Nigériens, nous devons travailler, nous sacrifier pour construire ce beau pays. Je t'invite à te lever et viens chanter avec moi cette belle mélodie. Si le Niger est une belle cardine, oh ohé, oh ohé, ohé oh Si t'es Nigérien que t'es écrasé, oh Ohé, ohé, ohé, oh hey, oh babu bambanci keni ke mawaka kena baki daka malisher poncha lankali babu inadaba jesu daki si le niger est une balle d'adi oh hey oh hey oh hey oh hey oh hey si ta niger est que t'es d'adi oh hey oh hey come together.